Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Calombo et bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Pour ce vendredi 20 décembre, les sujets que nous allons aborder sont euh, la célébration du 66e anniversaire de la République du Niger ce 18 décembre. Nous verrons les points forts abordés par le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, dans son adresse à la nation Ensuite, l'annonce de la CDAO qui contactait la sortie définitive des trois pays de l'AES fin janvier 2025. Enfin, la 45e édition du sabre national qui s'ouvre ce 20 décembre dans la région de Dosso. Et pour en discuter, j'ai autour de moi Memouna Djado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. Arimi Yapa, journaliste à la radio alternative. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant également. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Nafisa. Je suis Nafissa Adamsir à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le Niger a célébré mercredi 18 décembre le 66e anniversaire de la proclamation de la République. Dans son message à la nation le 17 décembre, le président Chani a dressé un bilan des actions entreprises depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 26 juillet 2023. Il a mis en avant les accomplissements structurants et les nouvelles orientations prises pour le pays chef de l'État a souligné que le Niger a réussi, je cite, à renvoyer de notre pays sans haine ni violence les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement à nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement leur mission. Je commence avec vous, Abdoulaye. Euh, quels sont les points qui ont attiré votre attention et quels commentaires Oui, merci Nafissa. Effectivement, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade euh, Abdraman Chani. Comme à l'accoutumée, c'est la deuxième, c'est son deuxième adresse euh, euh, à la nation à, à, l'occasion de la proclamation de la, de la, de la République. Depuis leur arrivée. Depuis leur arrivée, puisque le CNSP est arrivé au pouvoir en juillet 2023, donc décembre 2023, il a fait une adresse, autant mhm. fort même de la crise avec la CDAO et mhm. la France, et au même moment où la France était en train de faire partir ses ces troupes, de mhm. rapatrier ces troupes. C'était pratiquement dans le même contexte. Et cette année, c'est donc c'est la deuxième adresse. Dans cette adresse, il faut dire que vous l'avez rappelé, soulevé quelques aspects. Mhm. Il a fait pratiquement euh, la genèse de 12 mois si on prend en compte de décembre 2023 à décembre 2024, n'est-ce pas C'est que le, pour le, CNSP ah, et le gouvernement a eu à mettre, euh, à, mettre en, exergue. Et il s'agit notamment euh, cette, euh, cette guerre contre l'impérialisme français ou les Nigériens comme un seul homme, ont demandé et obtenu, n'est-ce pas, donc le retrait de ces troupes françaises et que le peuple nigérien dans son ensemble applaudit jusqu'à aujourd'hui. Et mm. c'est toujours dans la perspective de la quête de cette souveraineté, une souveraineté qui, il faut le, il faut le dire, est une euh, tension, n'est-ce pas Donc elle est perfectible. On est en train de tendre vers notre indépendance euh, totale. Mais c'est déjà une très bonne chose le fait que le Niger a quand même révisité beaucoup de contrats, mhm. n'est-ce pas, sur le plan n'est-ce pas, de la richesse, euh, de sa richesse minière, mhm. et à faire en sorte que le Niger a déjà, est désormais souverain par rapport à la gestion pleine et entière, n'est-ce pas, donc des richesses euh, de, du sous-sol de, notre, de notre pays. Mm. Euh, deuxième euh, chose, c'est que le CNSP est quand même, il faut le rappeler, est quand même parvenu à mettre en, notre armée sur orbite, n'est-ce pas Toujours avec cette histoire de départ des forces obscurantistes qui d'une certaine manière plomber un peu donc euh, euh, les efforts de nos forces de nos FDS, de nos forces de défense et de sécurité. Mmh. Aujourd'hui, nous assistons à une montée en puissance de nos forces de sécurité et de défense, ce qui a d'ailleurs même une des conditions, n'est-ce pas, qui avait propulsé le CNSP au devant de la scène euh, nationale en mettant, en, dénonçant, n'est-ce pas, cette insécurité grandissante au vu et au nez, n'est-ce pas, de ceux-là qui étaient pourtant censés être euh, avec, nous. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, le CNSP est en train de marquer euh, euh, euh, son, son, son histoire, d'écrire son histoire. Et, il l'a dit, chaque génération va assumer sa, sa, sa, sa mission. Aujourd'hui, c'est sa génération, leur génération, la génération du CNSP qui est en train d'écrire son, son, histoire mmh. et le peuple nigérien qui l'a convié, qui est resté stoïque, n'est-ce pas, mobilisé derrière ses militaires, n'est-ce pas. Il a fait quand même un clin d'œil à ces gens-là et aux victimes de ceux-là, de l'insécurité, à savoir les femmes, les veuves et les orphelins, n'est-ce pas, donc des FDS tombés sur le champ et il a mm. même pris l'engagement de continuer à les assister autant que les moyens de l'État ah. le permettront. C'est de façon digne que le Niger est en mm-hmm. train de prendre à bras le corps les, mm. ses différentes préoccupations. Mm-hmm. Il a rappelé, n'est-ce pas, cette gestion, n'est-ce pas, donc des inondations où le Niger n'a pas quand même attendu l'aide extérieure pour pouvoir voler au secours, n'est-ce pas, donc des populations sinistrées qui ont vraiment fait, et qui ont dépassé le, million, mm-hmm. et je, crois un million, un million 700 ou bien 500, n'est-ce mm-hmm. pas Et même, d'ailleurs, même, c'est le plan de contingence de OCHA, l'organisme onusien pour, euh, pour, la, gestion de l'aide humanitaire, n'est-ce pas, a quand même dit que c'est la première fois que, n'est-ce pas, cette histoire est arrivée et ça quintuplait, n'est-ce pas, le plan de contingence, n'est-ce pas, que OCHA même prévoyait pour 2023-2025 à hauteur de 5 fois. Donc, vous conviendrez. Et c'est l'ingère à lui seul qui a quand même mis les moyens, les bouchées doubles pour pouvoir venir au secours, donc de ces populations mm. victimes des inondations. Mm-hmm. Alors, Alors, de votre côté, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette adresse à la nation du président Tchani à l'occasion donc du 106e anniversaire de la proclamation de la République euh, Merci Nafisa. Euh, donc je vais euh, pas en fait revenir sur ce mm-hmm. que déjà a déjà évoqué. Mais je vais continuer un peu hmm. pour euh, dire que ce qui m'a aussi attiré mon attention, c'est quand il a parlé que les administrateurs, ça veut dire que tout un chacun, les ministres qu'ils soient, ceux qui ont en tout cas en charge euh, ces ministères euh, rendront compte, hmm. feront un bilan de, du cahier de charges à eux confié. Et ensuite, euh, il a parlé que euh, les Nigériens doivent euh, redoubler d'efforts dans la cotisation mhm. du fonds de solidarité. Mhm. Et mais ce que je j'ai pas en fait entendu et que je pensais pouvoir entendre, c'est que je pensais que le chef de l'État allait prendre euh, en tout cas la grâce, euh, une grâce euh, présidentielle. habituellement, oui, oui, pour, oui, pour ces, ces, ces, détenus politiques, hmm. en fait, qui ont passé plus de 12 ans en prison. Je pensais qu'il allait peut-être les soulager ou soulager ses hmm. familles. Euh, j'ai également euh, pensé qu'il allait euh, aller en profondeur dans cette question d'insécurité. Mhm. il a quand même apporté tout son soutien. Oui, il a apporté les soutiens aux forces de mhm. défense et de sécurité, sa compassion. C'est déjà bon, mhm. mais je, je pensais aussi qu'il allait au-delà de ces soutiens-là, expliquer ou non seulement dire vraiment en fait les inquiétudes mhm. euh, des populations mhm. qui sont confrontées dans cette situation d'insécurité. Mhm. Et j'ai également euh, pensé qu'il allait soulever cette question de justice. Pour une nation, la justice est très importante la, mhm. parler, oui, la justice équitable, en mhm. fait. Pour lutter euh, contre, la, corruption, et tout. Donc, il faut une justice aussi équitable pour, pour les citoyens. Mhm, et en fait, euh, je ne l'ai pas entendu euh, soulever cette question. Beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations, en fait. Mais ce qu'il a abordé, il a abordé un bilan du CNSP, du coup d'État jusqu'au 18 décembre, ce qu'ils ont pu réaliser. il a parler également euh, des réseaux sociaux. Euh, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, la désinformation. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à cette désinformation et comment est-ce qu'il a attiré l'attention des Nigériens mhm, mhm. que tout n'est pas consommé sur les réseaux sociaux. Alors, Arémi, 66 euh, ans euh, pour la République du Niger. si Memouna est resté sur sa soif sur certains aspects, vous, quel est le bilan que vous pouvez faire Deux ans du CNSP. Oui, oui, parce que, oui, beaucoup de choses euh, ont été faites, hein. mhm. euh, mais il y a des choses qui ont été faites pour euh, l'affirmation de notre souveraineté, mhm. c'est le départ des forces étrangères, n'est-ce pas, notamment la France, mhm. les États-Unis, un peu l'Allemagne. Euh, c'est aussi des choses comme la rupture avec euh, certaines, institutions, certaines, institutions, internationales, hmm. telles que la CDAO euh, et même la francophonie. bon, ça, c'est des choses qui ont été faites, n'est-ce pas, pour affirmer notre souveraineté. mais hmm. Maintenant, dans la vie quotidienne de l'État, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui a été fait hmm. euh, Je vois par exemple qu'en ce qui concerne euh, euh, la santé, il y a des actes qui ont été posés. Hmm. moi, parce que les actes de souveraineté qui ont été posés, hmm, bon, on considère que c'est derrière nous, et puis on va vraiment à nos réalités, n'est-ce pas, ce qui nous comme disent les Hausa, mais tout à Oui, justement, avant même d'en arriver à ça, on parlait tout de suite de la question de la CDAO, de certaines institutions avec, avec lesquelles le Niger a, a, cassé les ponts. Euh, pensez-vous qu'aujourd'hui, un pays euh, peut être vraiment souverain euh, à lui seul sans... Non, moi je ne confonds pas souveraineté et mm. autarcie. Mm. je pense que quand ils, ont, ils sont venus, ils l'ont affirmé le CNSP, ils ont dit qu'ils étaient euh, partis, n'est-ce pas, à tous les textes internationaux euh, auxquels le Niger, était parti, à souscrit. Donc je crois que euh, cet aspect reste essentiel. Et même dans ce que j'ai dit, notre vie de tous les jours, par mm-hmm. exemple, mm-hmm. pour euh, créer de l'emploi pour les jeunes et autres, par exemple, ils sont allés voir à la BAD. Mm-hmm. À la BAD, qui est une institution sous-régionale, une institution quand même internationale. Euh, je vois beaucoup d'échanges, beaucoup euh, de contrats qui sont signés avec la Banque mondiale. Et, et parce que qu'un pays chaque, tous les pays du monde, même les États-Unis, ont besoin des autres pour pouvoir euh, avancer. Hmm. Et nous aussi, on ne peut pas avancer sans euh, l'appui des autres. C'est hmm. parce que rien que, même si c'est au plan académique, même si c'est au plan d'expertise. Aujourd'hui, les Chinois viennent, par exemple, pour exploiter notre pétrole, hmm. n'est-ce pas Notre souveraineté voudrait que euh, c'est nous, n'est-ce pas, des enfants du Niger qui exploitent n'est-ce pas, ou qui ont la capacité au moins de comprendre concrètement qu'est-ce qui est exploité dans notre mhm, sous-sol. Mhm. Donc, pour former ces enfants, on aura besoin de l'appui de quelqu'un. Donc, ce n'est pas ça, mais que ça, que les gens traitent d'égal à égal. Mhm. N'est-ce pas Qu'on ne soit, continue pas à être exploité tout comme quand on était sous la colonisation. Malheureusement, euh, la suite des événements nous montre que des pays comme la France, ils, ont, ils sont en retard. Ils n'ont pas compris qu'un certain temps est, est révolu, n'est-ce pas Et voilà ce qui fait que après le Mali, le Burkina, le Niger, n'est-ce pas Le Tchad leur a emboîté mhm, le, pas euh, et même le Sénégal, là où c'était le plus inattendu. Mhm, mhm. et peut-être que ce n'est même pas fini. Et donc, ça, c'est des actes de souveraineté. Mais collaborer, euh, échanger avec d'autres, même si c'est avec ton argent, si tu négocies, la personne vient te l'expliquer ou te donner son expertise s'il veut. Et ça, on a besoin de l'autre pour le faire. Donc, moi, je pense que la souveraineté ne veut pas dire vivre en autarcie, mhm, mhm. mais c'est plutôt vivre vraiment d'égal à égal mhm. avec les autres, avec notre point de vue, nos préférences et tout qui sont respectés. Donc, euh, c'est pourquoi quand on parle de dignité, c'est une réalité. Oui, oui, Je peux juste euh, ajouter, en fait, le départ du Niger, euh, c'est pas un départ de la CDAO, ce n'est pas un départ à lui seul, c'est un mhm. départ collégial avec les autres pères n'est-ce pas, de donc de l'AES, notamment mhm. le Mali et le Burkina Faso, mhm. qui ont pris cette décision le 29 janvier 2023. Oui, en fait, c'est le deuxième sujet même de ce forum de la presse. Nous allons rester sur ce sujet euh, du 18 décembre. Euh, justement, beaucoup d'accomplissements euh, ont été faits, mais reste à faire encore. Et notons que pour cette année également, pas de festivités tournantes comme on le voyait dans les années précédentes la journée a été marquée dans des régions par des cérémonies de prise d'armes suivies euh, de remise officielle des médailles. Alors, quel commentaire, Arimi Les festivités tournantes qui s'arrêtent. bon, c'est chaque euh, régime à mhm. sa trouvaille. Euh, le point commun reste le 18 décembre. Mhm. Ça, c'est une fête nationale, n'est-ce pas, la proclamation euh, de la République du Niger. Ça, on ne peut pas changer. Mais maintenant, chacun qui vient, n'est-ce pas, innove, mm. euh, apporte quelque chose. Par mm. exemple, mm. sous Tanja, et après aussi d'ailleurs sous Issou, ils ont trouvé que ce que Tanja avait fait était pertinent. Ils ont modifié un tout petit peu. Mais je trouve que euh, il faut quand même poser des actes euh, symboliques, n'est-ce pas, à l'occasion de telle journée, mhm. parce que c'est la journée, euh, le 3 août, on a transformé ça en, fait plantation, en plantation. Oui. le 3, le 18 aussi. Mais il faut pas balayer de revers de bras mhm. ce qu'on trouve. Mhm. Moi, j'ai trouvé que, par exemple, une fois ici même, j'avais proposé, quand, euh, après le coup d'État, euh, les gars de l'AFD étaient partis alors que c'était eux qui avaient financé et étaient essayé de mettre en œuvre le projet de, euh, de la centrale solaire mhm. de Gorubanda. Mhm. Euh, je disais que, écoutez, par exemple, le 18 décembre peut être consacré à des actes comme ça. Mhm. On m'a dit que ça coûtait 20 milliards n'est-ce pas On a connu tellement de 18 décembre que si chaque 18 décembre on peut profiter pour, par exemple, pour rendre l'énergie accessible à, tous, les Niger et donc toutes les grandes villes, chaque 18 décembre, une grande ville est desservie. Mhm. On allait desservir pratiquement toutes nos grandes mhm. Mhm. villes et le problème d'électricité allait être un problème dépassé, résolu. Donc c'est chacun a son idée de ce qu'il peut faire le 18 décembre, mais euh, sous, il faut noter que beaucoup d'argent a été dépensé, mhm. et parfois dans des projets vraiment pas très euh, porteur, je dirais, pour notre pays. Beaucoup de trucs ont été construits, mm-hmm. des monuments mm-hmm. euh, dont on n'a pas beaucoup l'explication et qui coûtent souvent 200, 300, 400, 500 millions de francs Donc on peut, oui, peut-être qu'ils sont en train de réfléchir mm-hmm. sur ce qu'ils peuvent faire à partir de chaque 18 décembre. Alors, beaucoup a été fait, oui, mais En fait, moi, je pense que euh, comme la célébration est passée, oui comme si c'est inaperçu. Mhm. C'est aussi le contexte. Hein. Le contexte euh, fait en sorte que euh, à un an déjà qu'ils sont au pouvoir, c'est vrai, mais euh, le contexte mhm. économique, le contexte sécuritaire, peut-être n'ont pas permis, euh, en tout cas, de faire festivités. les festivités. quand il y a les prises, de les cérémonies les prises de cérémonie, parce qu'ici à Niamey, on a, en tout cas, c'est au niveau de la place tout le monde que nous avons vu cette cérémonie mhm, mhm. s'est là-bas. Mais c'est juste que ça n'a pas été euh, le défilé qu'on oui, a l'habitude de, le voir. Et ça aussi, c'est chaque retraite régime, au flambeau. retraite au Chaque mhm. euh, régime a <laughs> sa manière de faire. mais avec le contexte actuel, mhm. où déjà nous sommes en train de, vouloir euh, chercher notre propre souveraineté, mhm. les cotisations peinent à rentrer au niveau du fonds de solidarité. Peut-être l'année prochaine, si Dieu nous montre aussi, comment est-ce que ça va se passer. Alors, beaucoup a été fait euh, et reste à faire euh, en matière de souveraineté dans notre pays. Nous arrivons donc au second sujet euh, de ce forum de la presse sans transition d'ailleurs. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, ont officiellement entériné dimanche 15 décembre la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de quitter l'organisation. Cette sortie annoncée en janvier 2024 prendra effet le 29 janvier 2025, mais une période de transition de six mois sera observée jusqu'au 29 juillet 2025. Et cette transition vise à permettre un éventuel retour des États de l'Alliance, des États du Sahel. Alors, les portes de la CDAO restent ouvertes pendant cette période, a déclaré Omar Aliou, président de la commission de la CDAO, lors de la lecture du communiqué final. Arimi, quelle est votre analyse de cette annonce Écoutez, euh, on a deux parties, mhm. n'est-ce pas, qui se sont vraiment séparées en queue de poisson dos à je dirais, euh, malheureusement, mhm. alors que euh, tout euh, les attire les uns vers les autres, à mon sens. Mhm, mhm. Parce que quand on écoute la CDAO, n'est-ce pas, le côté, en fait, ce qui reste de la CDAO, n'est-ce pas, ils disent qu'ils ont, que leur porte reste ouverte jusqu'en juin, six mois encore, n'est-ce pas euh, donc, ils espèrent quelque part que, les, autres reviennent, mais aussi ils <laughs> tiennent à ce qu'ils reviennent. C'est ce que ça veut dire à mon mm-hmm. à mon mm-hmm. sens, mm-hmm. n'est-ce pas Même si quelque part ils ont dit que bon, euh, quand il y a départ, ils ne sont pas obligés de, euh, ce ne sont pas, ce ne pas le, Niger, parce que par exemple, des pays comme le Niger, en fait, l'AES e a dit que le, son retour est irréversible. Et irréversible, mais le Niger a mis de l'eau aussi dans son eau ou dans, son lait <laughs> en, disant que les, ressortissants des pays membres de. Des ouais, voilà, on ne leur exigera rien de nouveau. N'est-ce pas C'est quand même des conclusions très pertinentes de la CDAO, mm-hmm. des dispositions très pertinentes de la CDAO, mm-hmm. que apparemment chacun euh, de les deux parties tiennent à ça. Mm-hmm. Moi, c'est pourquoi je pense que euh, vu que la tempête est passée, mhm. n'est-ce pas, la fièvre doit tomber entre euh, frères de sang, entre frères de même contrée, mhm. entre frères d'une même communauté. Moi, je pense que euh, bon, six mois, c'est petit, mais peut-être qu'en six mois aussi, les points de vue peuvent euh, évoluer. Justement, selon vous, est-ce que cette main tendue peut ramener ces trois pays, bien qu'ils aient annoncé que c'est irréversible Oui, moi je pense que moi je reste optimiste parce que euh, je pense que la CDAO un exemple d'intégration, hmm. n'est-ce pas On est pour le panafricanisme. Le CNSP n'a jamais caché son ouverture, sa volonté d'une Afrique panafricaine, hmm. vraiment d'une vie où tous les pays sont réunis. Hmm, C'est une une communauté quand même de 16 pays. C'était 17 pays, euh, l'autre est parti. Mhm. La Mauritanie est partie et l'autre, la Mauritanie veut revenir mhm. aussi. Moi, je pense que vu le projet, y compris de monnaie commune qu'il y a, n'est-ce pas le l'AES aussi a un projet de monnaie, mhm. n'est-ce pas, pour une meilleure viabilité de l'économie de la zone, n'est-ce pas, tout ça fait que peut-être que ça pourrait s'appeler autre chose d'ici là, mhm. mais que on a intérêt tous à se mettre ensemble. oui, par ailleurs, la CDAO a retiré son engagement à la démocratie et sa tolérance zéro envers le coup d'État tout en exigeant à nouveau la libération du président déchu au Niger, Mohamed Bazoum. Alors vous, Abdoulaye, la CDAO qui compte acter euh, la sortie de ces pays de membres, membres de l'AES de la CDAO et demande encore à nouveau la libération du président déchu, Mohamed Bazoum. Quelle est votre analyse oui, la CEDEAO a acté, n'est-ce pas, le départ, le, retrait des pays de l'AS e euh, de ces instances hmm. et a donné un sursis pratiquement de six mois. Hmm. Dans ce laps de temps, elle espère que, comme Arimi vient de le dire en étant optimiste, que les trois pays reviendraient pratiquement à la maison commune. Et en demandant la libération de, du président déchu, Mohamed Bazoum, la CEDA ne fait que dire, n'est-ce pas, ce qu'elle avait toujours clamé, hmm. c'est, n'est-ce pas, être anti-coup d'État. Alors, Bazoum a été renversé par un coup d'État. Il est là, cette fois-ci, ils ont évolué. Hmm. Ils n'ont pas parlé de son rétablissement hmm. dans le fauteuil euh, présidentiel. Comprenez Donc, peut-être que en tant que un de leurs, euh, un de un ancien père, n'est-ce pas, de, ces chefs d'État-là, ils hmm. il plaide pour que, en sa faveur, pour il soit libre de ces, de ses mouvements. Maintenant, par rapport à cette euh, transition de six, mois, ce délai de sursis qu'ils ont donné à ces pays de l'AES, mm. l'AES, il faut le dire, a pris une décision irréversible. Mm-hmm. En proclamant, même en lisant même le communiqué à partir mm-hmm. du 29 euh, janvier 2023, mm. ils ont été clairs. C'est un départ irréversible. Mm. Alors, ils l'ont réaffirmé. Ils l'ont réaffirmé à maintes reprises. Et si aujourd'hui le Niger dit à haute intelligible quoi, quoi voit qu'il se retirera, n'est-ce pas, de la CDAO, c'est de guerre. Parce que cette CDAO des peuples, cette CDAO surtout intégrateur, intégratrice, mm-hmm. a montré à quel point elle est téléguidée. Mm. Et elle elle était pratiquement à la solde de certains impérialistes, de certains vallées, de, certains vallées internationaux, hmm. notamment euh, des puissances euh, occidentales, notamment la France. Vous, comprenez, Alors, en soumettant le Niger et son peuple, n'est-ce pas, sous dans des conditions extrêmement difficiles, inhumaines, à cause, n'est-ce pas, du fait que les frontières étaient fermées, les, produits pharmaceutiques ne venaient pas, ne rentraient pas au, Niger, l'électricité était, coupée de façon unilatérale, hmm. comme bien même le Niger a un, contrat qui le liait avec. Euh, C'était les, conséquences euh, liées à la fermeture de ces Par rapport à à, à cette situation, le Niger ne peut que cramponner sur sa position. Deuxième chose, le discours du chef de l'État d'avant-hier il a été clair. Il a mm. dit que certains pays voisins mm-hmm. abriteraient encore, n'est-ce pas, ces gens-là qui ont été, n'est-ce pas, chassés de sa, du territoire nigérien mm-hmm. et qui étaient là, n'est-ce pas, dans, dans une vision, n'est-ce pas, de vouloir continuer à à, déstabiliser mhm. le, pays. Oui, le chef de l'État a également euh, déclaré que euh, cette euh, décision ou bien la sortie de la CDAO des pays membres de l'AES, n'entraînera pas le chaos pour les pays et leurs nationaux. Alors vous, Maimouna, quel commentaire sur cette situation D'abord, ce que je voudrais dire par rapport au retrait définitif, le retrait définitif donc de la CDAO des pays de l'AES, c'est qu'il y a toujours euh, une méfiance qui est là, en fait, mm. entre l'AES, e les pays de l'AES et la CDAO. Laquelle d'abord La méfiance, c'est que jusque-là, euh, les pays de l'AES n'ont pas confiance à la CDAO. Même si la CDAO ouvre les portes, tend la main, il y a cette méfiance-là, comme l'a dit Abdoulaye. Mais selon vous, qu'est-ce qu'ils craignent, qu'est-ce qu'ils craignent Ils disent qu'il y a une forte euh, euh, euh, déstabilisation, mm. la machine de déstabilisation de la CDAO vers les pays de l'AES. Mm-hmm. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils pensent que les six mois même qu'on les a accordés, c'est une stratégie de voir comment est-ce qu'il faut déstabiliser ces pays-là mm-hmm. avant les six mois. Mm-hmm. En fait, donc, c'est une crainte de, de, ces pays de l'AES. Mm-hmm. Et de l'autre côté, la CDAO voit que en laissant partir les trois pays, c'est un échec pour la CDAO. c'est quelque chose que la CDAO n'arrive pas, la pilule que la CDAO n'arrive pas à avaler. Mm-hmm. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mm-hmm. Et j'ai toujours dit, si vous voulez que ces pays-là reviennent au niveau de la CDAO, il faut d'abord qu'il y ait un toilettage de ces textes-là, mm, mm. de la CDAO. Il y a certaines personnalités qui doivent quitter, en fait, la CDAO. Selon vous, oui. Selon, oui, <laughs> selon moi. Donc, ils ne peuvent pas, en fait, euh, s'aventurer à retourner. Mm. Ils savent les conséquences qu'il y a. Déjà, on parle de libre circulation. Mm-hmm. Nous savons que la libre circulation, c'est sur les papiers de toutes les mille manières. Mm-hmm. Ça n'a jamais été euh, quelque chose où c'est clean. Mm-hmm. La libre circulation, on parle de la libre circulation des peuples et des biens entre la CDAO, les États communs, mais il y a toujours des petits euh, accrochages, des petits problèmes qui, qui, qui, sont euh, véritablement là au niveau des frontières. Donc, même si on parle de, cette situation-là, le Niger là fait partie de l'UMOA. Le Niger mhm, fait mhm. partie de beaucoup d'institutions mhm, euh, qui euh, sous-régionales qui permettent cette intégration euh, africaine, qui permettent la libre circulation des biens et des. Mais au vu donc de toute cette situation, vous, tout comme Arimi qui est optimiste quant à peut-être à une résolution, vous êtes-vous optimiste ou bien pessimiste quant au retour de ces pays Vous savez, dans le bon sens, le mieux c'est que les deux parties mm. arrivent euh, à se comprendre, en mm, fait, mm. pour le meilleur de tous les peuples africains. C'est ça, en fait. Donc, moi aussi, je reste optimiste. Parce que <laughs> En fait, <laughs> non, je reste optimiste parce mm. qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, ça veut dire que les choses peuvent évoluer mm-hmm. euh, dans le sens positif. Il suffit tout simplement peut-être d'approfondir aussi les négociations. Quand le Niger, par exemple, dit que euh, il, laisse quand même euh, cette question d'intégration africaine, mm-hmm. pas parce qu'ils sont, ils sont sortis de la CDAO, mais que même étant sortis de la CDAO, ils vont rien mettre sur le dos mhm. de ces pays africains, de ces peuples-là qui sont au niveau de la CEDAO. Moi, je me dis que, en fait, euh, ils ne sont pas dans cette volonté de quitter euh, définitivement mhm. les choses, mhm. parce que j'ai dit les choses peuvent évoluer. Voilà. Les prochains <laughs> jours, nous en dirons plus. Euh, nous allons observer une courte pause avant d'entamer le, la troisième partie de ce forum. du sport pour terminer, c'est cet après-midi du 20 décembre que s'ouvre la 45e édition du sabre national de la région de Dosso sur le thème la Boussani Kassa. Sur instruction ferme du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdrahman Amadou, le code de la lutte au Niger vient de connaître une profonde réforme et ce pour rendre les combats incontestables, fluides mais aussi moins longs et harassants. Il est composé de 41 articles dont certains à problème ont été systématiquement nettoyés. S'agissant de l'article 18, la réserve et la réclamation sont formulées désormais par écrit par l'entraîneur plaignant et la durée des combats est également revue. Alors, Arimi, quelle autre précision avez-vous sur ce nouveau code de la lutte adopté adopter euh, Pour une fois, hein, euh, il y a quelque temps, je vous ai dit que ça ne me plaît même pas d'aller mhm. euh, dans nos, arènes parce que mhm. notre lutte reste euh, très amateur. Mm, mm. Et là, ces dispositions-là, vraiment tendent pour moi vers euh, la professionnalisation de notre euh, sport roi, je dirais, parce que l'autre nous a quand même été importé. <laughs> Et donc, deux, trois choses hein, vraiment que je trouve essentielles, à part ce que vous avez cité, la réduction du temps de mm-hmm. lutte, de combat. Mm-hmm de, c'est une très bonne chose. Les réclamations, les réclamations surtout la majoration, il y a la une majoration qui doit être versée passé, La réserve est passée de 20 à 100 000 mhm. et l'appel de 40 euh, à 200 000. Donc ça a été multiplié par 5 et je mhm. trouve que c'est une très bonne chose parce que euh, j'ai eu l'impression euh, étant amateur du sport, même si euh, je n'aime pas trop comment c'est fait, je suis obligé de suivre au moins à la télévision. Mhm. Et j'ai regardé comment les entraîneurs et certaines régions même s'amusaient à porter réserve parce mhm. que c'est deux fois rien. Mhm. Euh, parce que pour une équipe euh, nationale ou une équipe régionale, 20 000, pour emmerder juste les organisateurs, ce n'est rien. Donc les gens, chaque combat... Des combats d'une heure temps euh, à part ça, à mm. part ça, mm. au moins, euh, vous avez quand ton auditeur est tombé, tu le sais. Mais dans l'espoir peut-être de créer le doute ou de monter les ressortissants de, ton, de ta région ou de ton équipe, tu payes 20 000 et on engage tout un processus de vérification qui mm-hmm. peut prendre 30 minutes pour un seul combat. Mm-hmm. Après, tu fais l'appel. Donc, dans la journée, pour un seul combat, on peut perdre une heure de temps, mm-hmm. voire une heure trente n'est-ce pas C'est que on, ne respecterait pas dans ce cas tous les téléspectateurs parce que c'est des millions de personnes qui regardent la lutte traditionnelle, il mm-hmm. ne faut pas se le cacher. Entre ceux qui écoutent ça à la radio et ceux, qui, regardent, ça à la télévision et au plan international parce qu'aujourd'hui mm-hmm. que aujourd'hui la, télévision nationale. Voilà. Mm-hmm. Et donc, on amène à 100 000, 200 000, quelle que soit l'équipe. Je crois que quand elle va faire ça deux fois, trois fois, on va, ressentir ça. voilà. Donc, toute réserve, désormais, on sait que c'est une réserve sérieuse. En cela, c'est une bonne chose. Mm, mm. Maintenant, la limite de temps mm, pour les combats de les finales, n'est-ce pas, quart de finale, demi-finale, deux fois dix minutes, c'est fini. Je suis entièrement d'accord. C'est ça du sport. Le sport respecte le sportif. Le sportif, ce n'est pas une machine. Tu ne peux pas amener un colosse de plus de 120 kg, 130 kg, se battre à de toute sa force pendant 10 minutes, le ramener et tu dis que non, même s'il faut que quelqu'un tombe, sinon on reporte ça à l'après-midi. Mhm, mhm, mhm. Il est arrivé que des lutteurs vomissent du sang par épuisement. ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas Et donc, l'arbitre, c'est pourquoi il existe l'arbitre. L'arbitre, normalement, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui a une clairvoyance, une compréhension de la chose sportive, que même si c'est son fils qui lutte, il doit pouvoir trancher en âme et conscience. Et, donc, la balle est dans le camp, à mon avis, des, des, arbitres, n'est-ce pas, qui doivent, on le voit, dans des sports aux États-Unis, le MMA, c'est des centaines de millions qui sont engagés pour un seul, combat. Mhm. Mhm. Mais le match peut prendre fin par, fin par des décisions mhm. Pourquoi pas en lutte traditionnelle Et si on veut que notre lutte nigérienne soit un combat international, Cocoa, mhm. n'est-ce pas mhm. Une, Un sport international comme le jiu-jitsu est devenu international, le karaté, le judo, le football et tout ce qui s'ensuit. C'est de cette manière. Il faut avoir des règles claires, des règles professionnelles, mhm. accessibles à tous ceux qui veulent pratiquer notre C'est peut-être un premier pas qui a été fait. pas Une seule chose reste à mon goût c'est le respect du poids. Effectivement, oui. Le respect du poids et de l'âge. Oui. Euh, quelle que soit la performance d'un lutteur, mhm. s'il n'a pas la majorité, mhm. n'est-ce pas, il ne doit pas lutter dans la cour des grands. Oui, on espère que Ou alors, il y a ce euh, qu'on... Vraiment, il doit être, euh, comment on appelle, surévalué, il doit être admis mhm. avec la, les médecins, avec ses parents et tout, qui doivent accepter qu'il y combatte. Ah Maintenant, les, le poids. Euh, on, l'a vu depuis avec les trucs de RTL, mhm, Orange et mhm. tout, le président de la République qui s'est fait. On a vu, les gens prennent deux lutteurs parfois par région pour ah, amener. Et c'est le plus lourd. N'est-ce pas Parce qu'on sait que quand tu amènes un petit lutteur, quelle que soit sa technicité, il n'a aucune chance, de rapporter mhm, le trophée, de remporter le trophée. Et donc, il faut faire une lutte comme ça se fait partout dans les sports de combat individuel. Vraiment, qui, a, qui respecte le poids. Nos équipes, même si c'est deux par catégorie, doivent être constituées de cinq catégories traditionnellement connues dans le sport au monde, dans le monde entier. Mm, mm, mm. Maintenant, la catégorie reine, doit être la catégorie des plus lourd, plus mm-hmm, mm-hmm, n'est-ce pas Plus de 120 mm-hmm, kilos et voilà, ils n'ont qu'à venir le oh, jour là, oh, tout le oh, on On espère que cet aspect du poids ça, sera revu. Il faut se les faire violence. Jours, Il faut se faire violence. Ça, c'est un peu euh, le coup d'État. Ça, parvient parfois à régler des questions de ce genre parce que même pour poser ce qui <laughs> euh, imposer ce qui est en train de maintenant ça aussi, je pense que le colonel, euh, on, espère bien. le major doit pouvoir imposer ça, n'est-ce pas Amener le lutteur objectivement à accepter cet aspect de la chose-là avant de s'en aller. D'accord. Alors, Abdoulaye, euh, ces nouvelles réformes, euh, de votre côté, quelle appréciation non, nouvelles, des réformes en nommé. Elle, est, bonne. Hein? Mhm, mhm. C'est pratiquement une des réformes visant à donner plus, à faire de la lutte une lutte, un sport très professionnel mhm, mhm. et faire en sorte que le, le, Niger soit perçu, qui est déjà perçu comme un, un, pays de, de, euh, lutte, traditionnelle, davantage soit, n'est-ce pas, un pays où la lutte sera désormais exportée. ça sera, on, on, sait, on voit au, au Sénégal, mhm. vous, voyez. Ah, et, Vraiment, c'est une très bonne chose. Nous allons expérimenter ces, réformes-là mhm, avec l'édition qui démarre aujourd'hui même, mhm. n'est-ce pas Et chemin faisant, peut-être, il peut avoir, n'est-ce pas Et peut-être. Euh, oui, comme Arimi vient de le, mhm. souligner par rapport au poids, les gabarits, tout ça là, et passer à un stade supérieur, n'est-ce pas Pour faire en sorte que vraiment la lutte traditionnelle du Niger soit vraiment exportable et faire en sorte même que le Niger, pourquoi pas, soit le capital de la lutte euh, oh traditionnelle soit, <laughs> <laughs> oui. Alors, mais voilà, est-ce que vous suivez même la lutte traditionnelle de l'État Bon, <laughs> dans, l'État, je suivais quand même la lutte traditionnelle. y a un mot donc euh, pour cette édition, euh, cette 45e édition, ces nouvelles réformes qui ont été adoptées. Le mot que je, veux vais placer, mhm. c'est que ce serait intéressant, en tout cas, euh, pour qu'on essaie de, regarder de plus près mhm. les compétitions mhm. avec les nouvelles réformes avec les nouvelles réformes, peut-être que ça va donner euh, l'envie, l'engouement euh, à ces. Euh, oui, à ces lutteurs et également les, spectateurs, en mhm. fait. Euh, de soutenir chacun selon euh, son choix mhm. de lutteur, en tout cas euh, pour que la lutte traditionnelle, cette 45e, c'est ça la 45e édition, soit une des plus belles éditions de la lutte traditionnelle. Et, je suis sûr que le sabre là avec <laughs> Isaac, Isaac, il, reste le principal. Il est, euh, euh, du sabre et aujourd'hui au niveau de du sa sabre, région. Peut-être qu'il va mettre aussi, hein. il va mettre le paquet pour pourquoi pas, pour mm. que le sabre aussi continue à rester de l'autre mm. côté. Mm. Donc <laughs> c'est des paris qu'il faut faire aussi. Alors, euh, on va suivre parce qu'on aura à, discuter mhm. certainement ici au niveau de la radio oui, Je le disais donc, à Isaka, triple ou bien c'est la sixième. Euh, septième. Septième. Oui, oui, c'est la septième. Non, il est en ce moment. Et je pense qu'il est encore au sommet de son art. Mhm, mhm. et que, mais c'est du sport on ne peut jamais entièrement pronostiquer juste. Euh, par contre, il reste un euh, des meilleurs des encore. c'est le peut meilleur déjà parler euh, les fans peuvent déjà commencer à des, avec des, des surprises. Il y aura beaucoup de surprises. C'est un, lutteur professionnel. Mm. C'est quelqu'un qui est là toute l'année. Il, ne s'adonne qu'à cette, activité. Il n'attend pas, la veille, de la préparation de l'édition c'est quelqu'un qui est déjà on doit mentalement, il est déjà préparé à ça. Physiquement, il est déjà préparé à, ça. Donc il y aura des, des surprises. Hein. vraiment qui luttent toute l'année. Et ça, c'est vraiment la fédération qui doit pouvoir entretenir mhm, mhm. Euh, le combat sur la durée, ah, euh, la, préparation sur la durée. Ce n'est pas quand il y a un tournoi euh, sous-régional ou le, sabre national seulement qu'il faut appeler les mhm, lutteurs. normalement, c'est des écuries comme au Sénégal qu'on doit former, où les lutteurs sont des salariés n'est-ce pas euh, Qu'il y ait compétition ou pas. voilà, c'est à cela qu'il faut, ben, voilà, avec des licences, avec euh, des trains de vie ah qu'on doit leur exiger et, tout. c'est comme ça que ça marche. c'est Comme le football. Mais on, souhaite également que la chance euh, soit du côté des. Il y a des régions qui n'ont jamais eu à ben, remporter ceux qui, ceux ah, le sabre, oui, comme la région de <laughs> Harimi, la région de on souhaite. C'est vraiment le sport qui réunit tous les Nigériens. Mm. Mhm. ensemble en fait, mhm. durant ces dix jours-là. Il y a, euh, il n'y une grande cette idée, il n'y a pas cette idée où il faut nécessairement que je suis de cette région, je dois soutenir les mhm, lutteurs de cette région. Non, non, je peux être de cette région et aller soutenir oui, parmi les, autres, lutteurs, même il y a certains lutteurs, d'une région qui, qui, qui, qui passent de ce côté pour aller de l'autre côté. Par exemple, si moi, ma région, si ma région Tilaberi, il n'y a pas assez de lutteurs, mais je veux aller chercher voilà, <laughs> Alors, on souhaite vraiment que cette 45e édition du Sabre National soit une très belle euh, rencontre et bonne chance donc à, tous les lutteurs. Et c'est ici donc euh, que se referme le forum de la presse de ce vendredi 20 décembre 2024. Merci à vous pour les analyses, commentaires et appréciations. Memouna Diado, journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative et Abdoulaye Soumana, journaliste à indépendants. Merci, chers auditeurs et auditrices des programmes de Studio Kalangou, de nous avoir suivis. N'oubliez pas les programmes des jeunes les samedis et dimanches les 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums à Hausa et Zarma à partir de 18h15 les samedis et dimanches. La technique est assurée par Amina Hassan. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Bon week-end à tous.